Je m'appelle Abdulaziz Aboubakar. Je suis âgé de 23 ans. Je me suis lancé dans ce métier de mon propre gré. Cette activité m'apporte beaucoup car par jour j'arrive à gagner 2000 voire 2500 francs avec lequel je subviens à mes besoins. Par jour, on arrive parfois à faire 6 à 7 tours. Sur chaque tour, on gagne 2000 à 2000 à 2500 francs. En cas d'accident, c'est notre patron qui prend en charge. oo agashadirosan oo insha allah inga dheno agashadirosan bore